Assalamu alaikum 'yan uwa matasa masu sauraron studio Kalangu ina muku fatan kun wuni lafiya dai. da fatan komai gangam yake ni ce ta kusa mira gwafi a yau uh, a cikin wannan fadar tamu za mu magana ne bisa kan wannan bugu da aka yi na sojawa wato kudeta da matasa yadda suke fuskanta waɗannan labarai da suke samu ta hanyar yanar gizo en français facile coup d'état au niger les jeunes face à la désinformation et que faire Depuis le coup de force euh, du 26 juillet 2023, la toile est inondée euh, souvent par des fausses informations. Toute personne ayant un compte voit sa page remplie d'informations dont parmi elles il y a des fake news et des vieilles vidéos de crises souvent ne concernant même pas le Niger. La désinformation, c'est un ensemble de pratiques techniques de communication visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées. Les jeunes seraient dans le monde plus de 71% à utiliser Internet. Entre les applications et les réseaux sociaux, aucune information ne leur échappe. Dans leur plupart des cas, ce sont des jeunes qui participent à des euh, créations, à la diffusion de ces fausses informations. Et cela n'est pas sans conséquence car euh, le reste de la population est plutôt jeune et surtout tout celui qui entend ces informations y croit. Comment faire pour limiter la diffusion des fausses informations ma'ana Yaza a comment les jeunes peuvent-ils avoir accès à la bonne information comme quelle est la responsabilité de la jeunesse wato Eh bien les amis, la réponse à ces questions, c'est dans un instant avec nos invités du jour euh, sur la FADA. Surtout, n'oubliez pas, mes chéris, tous à la fada, c'est de la chronique, de la musique, une rubrique rose, tout ceci en 35 minutes chrono. Chers amis, nous avons posé nos chaises et notre terre ici euh, chez nous au studio Kalangu et nous sommes juste dehors euh, pour parler du thème coup d'état, les jeunes face à la désinformation, que faire Et pour en parler, nous avons comme invité mademoiselle Toron Deborah, et les journalistes. Nous avons Soumana Hamadou, il est euh, jeune leader pour et nous avons aussi euh, Ahmadi Mohamed Hamid, dit engagé. Je vous souhaite la bienvenue à la FADA. <laughs> Alors, euh, nous allons plonger euh, dans notre thème. Mhm. Alors, je vais commencer avec ma première question. Depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir, Comment vous voyez, euh, comment vous recevez plutôt les informations sur les réseaux sociaux En fait, les informations sur les réseaux sociaux, moi je pense que le mieux serait de tamiser. Parce que quand l'information est électronique, ce serait plus difficile en fait de remonter à l'origine. Ce serait aussi difficile en fait d'identifier l'information ou bien et la source, celui qui l'a envoyé, ou alors de vérifier la véracité de l'information. les fausses informations samu su meni ni gaskiya ni a chaque fois j'ai les informations pour avoir la bonne information je pense qu'on devrait se référer à un canal officiel d'information une information d'Axam ou une radio ko télé donc ça pourrait être en fait euh, quand même véridique donc c'est plus facile à prendre qu'une information qui a été balayée et lancée sur euh, un réseau social voilà To madalla na gode zan dawo ta bangaren ka angaje. Kai kuma tun da wannan abun ya faru wato tun da wa'annan sojawan suka ɗauki mulkin yaya ne kake ganin wa'annan labarun? musamman na karya da ke yawo bisa kan yanar gizo. Wagga tambayar taki gaskiya tana da mahimmanci sosai. Tun lokacin da aka yi kudeta nan Nijar, labarin da muka samu na karya su ne suke da yawa. Za mu ce miki ma saboda yawan kun diba in kun doki rezo sosiyo kowa yana da 'yancin ya turo abun da ya ga dama. Tun ya diba ya ga source SKC in source credible wadda ake ce ma a turance source ta kirki. in kamar yanzu aka ce maka labari studio kalangu ne ta yi shi ai ka san labari inda aka yi su kenan ba za ka cewa ga inda na ji su nan radiyo na ji su saboda su sun kware wajen labarai suna nemo su suna tamizin su suna fidda na karya su ma su ba mutane labari na kirki kenan duk inda za ka yi za ka rike labari ka san wane ne yi ta wace irin labari ce ba wai kawai ka doko cikin rezo su so kana aiki da ita to na gode dai zan dawo ta bangaren ki ina iya sanin a wani proportion kike samun su wa'annan labaran na karya da suka fi na gaskiya yawa hakan ga Euh, tout d'abord, merci de m'avoir donné la parole euh, pour euh, euh, dire ce que je pense et ce que je vois et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, J'aimerais dire que beaucoup des fake news se, font passer sur des réseaux sociaux et c'est là, je dirais, beaucoup. Tu seras là, tu vas voir des informations qui n'existent même pas, venir passer sur ton compte WhatsApp, sur ton compte Facebook, partout, sur TikTok, partout, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news qui ne font que passer. Donc, euh, pour avoir même euh, euh, une source fiable, il faut passer par des, euh, la radio, la télé, pour pouvoir avoir des sources fiables. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu ne sais même pas si c'est des vrais ou bien c'est des faux. Parce que tout est mélangé, tout le monde est devenu journaliste il se cache derrière son téléphone kowane sai rubuta duk abin da yake so biskan situation in sai yayi balance wannan abu ko kowane yana dibin kamar sa fait pas du mal mais yana mu mutane in mutane ba su sani ba haka ne kina zancen muwa da boga to comment est-ce que toi tu fais ya kike yi dan ke fayyace labarin ƙarya da na gaskiya kuma hamma kuma ya kike yi wallafa su ma jama'a to yanda nike yi for example ke gani yanzu a jarida ce pour avoir des sources euh, crédibles et des sources fiables, je regarde d'abord à quel moment Yawana Abuyehito, est-ce que ça passe par un canal et quel est ce canal Une radio. Si par exemple eh, studio kalanguce ko ko a ce sauran dai eh, eh, media amma haka gaskiya hakan ga wani wasiƙa bai hito min sociaux. rezo sosiyo sai in c'est vrai Ah ah. na tsaya in gani in wannan jarida ta yi magana amma in ban shi ba gaskiya ban na kamawa kenan ina da wata tambaya nake so eh. in maka kai dake cikin hada-hada to yanzu ka gan bisa kan yanar gizo akwai wasu matasa da ke ɗoka wata dama su to suna yin wasu muguwar wasa da ya hakan ga eh. bisa kan abin da ke faruwa cikin kasa kuma wannan sa alarm certain person qu'est-ce que t'en penses oui je pense que ce genre de pratiques sont des pratiques qui sont répréhensibles et qui sont à proscrire en fait de nos de nos actes mais toujours est-il que avec les réseaux sociaux, kullum adiba agani. Est-ce que wanga labari est ce ko parce que maintenant tout le monde a compris. Même au village, dans les villages les plus reculés, quand les gens reçoivent des informations, c'est soutien à OK, na sa wanga labari mais mujira gagné ». C'est comme ça. Donc personne ne prend l'information comme argent comptant maintenant. Angani, ko gani. to madalla an gaje zan dawo ta bangaren ka me zaka iya ce muna bisa kan waɗannan matasa da ke ɗaukar lokacin su suna bisa yanar gizo suna aiko labaran karya ko ko suna aiko abubuwan da ke tada ma sauran al'umma hankali eh, abin da za ni ce musu za mu kire su vraiment kiran da za ni musu shine za ni ce musu su dawo hankalinsu kuma san da cewa abun da suke yi wannan ba abu ne mai kyau kuma abu ne wanda za ya kawo za ya tada hankalin mutane sa za a ba su tsoro kuma su abun da suke wani bi kamar yadda kuka ce wani wasa ne suke da hankalin mutane ko su sun aza wasa ne suke to ba a yi wasa da labari da labarai don in za ka ba da labari in baka da cikakken eh, sus ba ka san inda suka fito ba bai kamata ba a ce ka wallafa su cikin rezo sosai. don ka ba mutane tsoro ya kamata a ce mutum ya sa ya gani wannan ina ne suka fito ba a yi labari da wasa komi an tsara shi gane akwai abin mm. da ake wasa da shi kuma eh, akwai abin da ba na wasa ba ne ba na wasa ba na mm. gode an gaje shaka zami za mu saurari rubrikus mu mu ji abin da 'yan matan studio kalangu suka zo mana da shi za mu dawo bayan wannan Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique rose de ce samedi. Aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, des dates, les, celles qui sont fraîches et saisonnières. Et ça sera avec moi, Samira Wafi. Alors, euh, les dates fraîches se présentent sous forme de grappes. Les fruits sont de couleur ambrée et couverts d'un léger voile blanc. Les dates fraîches sont le plus souvent commercialisées sous forme de branches et appartiennent généralement à trois variétés la Hayani, aux fruits petits et foncés, la barhi plus claire et les sphinx à la forme arrondie et plus grosse que les autres. Dates et accord en cuisine. Succulents et sucrés, les dates peuvent être consommées telles quelles, mais aussi utilisées dans la préparation de délicieux plats salés et sucrés. En particulier dans ces derniers, elles peuvent même remplacer le sucre. Au petit déjeuner, vous pouvez l'ajouter dans vos yaourts pour les rendre plus nourrissants et gourmands. Les dattes se marient parfaitement avec d'autres fruits secs comme les amandes, les noix et les pistaches, et également avec des épices au goût rond comme la cannelle, la cardamome et le cumin. En association à ces ingrédients, elles peuvent donner une touche sucrée et aromatique à un ragoût de viande blanche ou d'agneau. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À toi, Mariam, pour la partie santé. Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des différents types de sucre et comment les consommer. La consommation des sucres est-elle dangereuse Avoir une alimentation saine signifie avant tout avoir une alimentation équilibrée. Le sucre est omniprésent dans l'alimentation occidentale typique. Il est donc difficile d'en éviter complètement la consommation. De nombreux produits comme les sauces, les soupes, les plats préparés et les yaourts contiennent des sucres cachés. Le sucre se trouve aussi naturellement dans des aliments tels que le lait, les fruits et les légumes mais ce type de sucre n'est pas un problème lorsqu'il est consommé en quantité raisonnable. Ce sont les sucres ajoutés ou sucres libres dont il faut se méfier. Une alimentation riche en sucres ajoutés peut être à l'origine de nombreuses maladies chroniques comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Pourquoi réduire sa consommation de sucre Réduire sa consommation de sucre peut aider à prévenir l'obésité selon l'Organisation mondiale de la santé l'obésité a triplé dans le monde depuis 1975. Bien qu'un certain nombre de facteurs puissent conduire à l'obésité, comme le manque d'activité physique ou même des troubles psychologiques, une consommation élevée de sucre joue également un rôle. Le sucre est riche en calories et n'a aucune valeur nutritionnelle. Il peut aussi avoir un effet à long terme sur la façon dont notre organisme produit l'insuline, l'une des principales hormones de notre métabolisme. En effet, lorsque vous mangez du sucre, votre corps libère de l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas que votre corps utilise pour assimiler le sucre. Cela entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang appelé glycémie. Lorsque ce processus est fréquent et habituel, il peut en résulter des taux d'insuline constamment élevés. Cela peut conduire à un état connu sous le nom de résistance à l'insuline, dans lequel l'organisme ne répond plus comme il faudrait à l'insuline. Votre pancréas doit alors en produire de plus en plus, ce qui peut être un précurseur du diabète de type 2. Ce processus peut également entraîner une prise de poids, en particulier autour de l'abdomen. La graisse abdominale est associée à un risque accouru de maladies telles que les maladies cardiaques. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Alors, euh, les amis, j'espère que ces informations vous seront utiles. On se dit à demain pour la suite de notre chronique. Baby, I'm in deep daga dan hutun takaitaccen lokacin da muka doka ina shaida muku da cewa muna na a gida studio Kalangu sai dai mun dan juya muna na a waje inda muka azafa da mu muna hira tare da abokanmu da suka zo ganin mu a yau wato muna tare da Malam Suleiman muna tare da Angashi kuma muna tare da Hajiya Debora kuma muna son kusan da cewa kadar Cambiano ne ke doka mana duka wannan magana da kuke ji ta yadda ba za a ji wata hayaniya ba da za ta dame mu. To madalla, le thème d'aujourd'hui dai kamar yadda muka faɗa ne coup d'etat les jeunes face à la désinformation za mu ci gaba da wannan deba vala debora zan fara da ke yanzu ke a ganin ki wannan yanayin da muke ciki na wa'annan labaran da ba su da tushe da mutane ke doka suna yadawa sai fausse information la usula pourrait-il nous conduire ina zai kai mu in ba a yi aniya ba vala eh, abin da zan cewa shine des fausses informations détruit tout un peuple à détruire un peuple entier. Parce que, qui Akadiba, par exemple, je prends une nouvelle qui peut détruire l'autre et je la fais passer. Maintenant, cette nouvelle fait en sorte. Parce que, parlons, les réseaux sociaux, c'est partout, ça se voit partout. Et nos parents, il y, a des les gens dont leurs parents ne sont pas dans la ville. Aujourd'hui, avec cette situation qui se passe à Niamey, il y a les sous-régions, on va dire, ah, un tel, il y a un tel qui est décédé, ici à Niamey compte tenu de ce coup d'État et ses parents voient le message, comment ça sera La maman peut piquer crise ou bien un des membres de famille peut piquer, crise. Et maintenant, on voit que ton enfant est décédé, ton enfant est décédé et tu le vois sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi Donc, de faire attention avec des nouvelles et des, des fake news qui ne font que passer sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut détruire. Si nous regardons même le cas de, Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé Ce sont des petites nouvelles, une, euh, ce des, petites nouvelles, des petites informations qui ont détruit la ville. Donc je, je voudrais dire à ces jeunes qui font passer, ou bien à ces comédiens, à ces blogueurs, il y a des situations où il faut blaguer, il y a des situations où il ne faut pas blaguer. Dans ce cas où nous sommes, on ne doit pas blaguer il n'y a pas d'humour. Il faut dire la vérité, il faut dire des informations exactes. Il ne faut pas qu'ils passent par des comédies, dire des choses qui vont faire mal à la population. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cela. Merci beaucoup Deborah Asman zan dawo ta bangaren ka. Eh, to eh. kai a ganin ka ina ne wannan halin zai kai mu inda mutane suka ci gaba da wallafa labaran nan na ƙarya. Eh ni abin da nace gani insha Allah ta'ala eh dama gwamnati ya doku matakai sai qu'on appelle en français la loi anti-cybercriminalité. Déjà, wanga doka tana nan, donc par rapport à la désinformation. cena. to sumana eh, zan tsaida ka zan dan katse ka bala a gare ka ne nake ina tambaye ka kama a matsayin mu ma na matasan Niger mene ne ya kamata mu yi saboda a kiyaye irin wannan abubuwa dan kan mu mu fada inda zamu shiga da ba za mu iya fito ba gobe merci beaucoup et eh, lalle ni abun na nace gani c'est d'abord l'état qui devrait faire quelque chose parce que akwai wata doka De an doka en français la loi anti cybercriminalité voilà qui lutte contre wanga que nous ache diffusé sur réseaux sociaux et surtout qui vise à parfois des fausses nouvelles qui visent à détruire en fait les les citoyens to doar de gwamnati ya de mise en œuvre de cette loi de manière stricte et rigoureuse. les jeunes, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Donc le mieux serait en fait de partager, c'est vrai, le maximum d'informations, mais masu c'est quoi. In abun haka ya ya kamata a diffuser abun haka. Mais a y a kara quoi on a construire euh, un tissu de mensonges pour détruire en fait euh, son prochain. Moi, je dirais que par rapport à ces fake news, euh, l'État doit prendre ses, euh, dispositifs, euh, faire, comme il a dit, la loi, c'est ça, non Anti-cybercriminalité, les lois qui vont empêcher la propagande de ces genres de, fake news. Donc je dirais que une prise de conscience aussi au niveau de la jeunesse, ça serait très bien une prise de conscience, leur sensibiliser que ces genres de fake news qu'ils font passer détruit toute une vie, détruit toute une nation. Donc ils doivent euh, euh, euh, faire preuve de moralité et penser ce que cela peut produire, ce que cela peut affecter. Donc ces genres de fake news wa'annan wasu de à qui qui ont WhatsApp ni Instagram, Facebook, WhatsApp. Eh, yana iya a mm, yana iya bata en wa'ansu voilà ya kamata n'ont qu'à avoir une prise de conscience eh, pour dire que wanna abu da za zasu eh, sa a biskar gizo yana rayuwar uwani vala sai tuske suke amma da lade boga na gode um, za mu yi dan hutun takaitaccen lokaci za mu taimu sauraro wata ɗan waka hakan da sai mu dawo. ne Nijar gasa albarka ba ji ji wa rayuwa sai da Allah ya ba mu mu bi mai nema babu. Sannu sannu ni Nijar. Nijar gasa albarka ba jiki wa ranewa sai da Allah ya ba mu mafi mai nema samuki. Sannu sannu Nijar. da Allah ya ba mu mu mai nema samu nada. Ih. abin da Allah ya ba mu mun bi mai neman samu. adam i sannu sannu Tân jar Tân in ba sannu sannu ni jar bangalai in ba ni jar ga almarka Ni Nijar gasa albarka ba jiki ba ranewa sai da Allah ya ba mu mafi mai nema safi. Sannu sannu Nijar. Sannu sannu Nijar bangalaihin sama. Sannu sannu Nijar bangalaihin sama. جماعة صاروا استوديو كالونجو aminan fada da fatan kuna lafiya waɗanda suka tara mu a yanzu cikin wannan shirin mu ma kusa gamawa amma muna son kusan da cewa muna fira ne a bisa kan wannan take da muka zaba na yau mai suna kudeta matasa kuma yadda suke fuskantar wa'annan labaran ƙarya ya ne ya kamata a yi a faransai dai za a ce kudeta les jeunes face à la désinformation et que faire Après cette pause musicale, notre émission tire presque à sa fin, mais avant cela, voici euh, nos deux petites dernières questions à vous, euh, chers invités engagé dans zan dawo ta bangaren ka kai a kamata Yayi saboda ya, ya tantance kuma ya labaran da yake samu Comment gérer les informations que nous recevons et comment les vérifier car tu sais, certaines personnes déjà mal intentionnées profitent de cette situation pour induire la population en erreur. Surtout, comment faire pour ne pas être la source de diffusion d'une fausse information eh na gode bisa wagga tambaya da kika kara mini zani takaice ba da amsa an baka da cikakken hujja da zaka ce ga inda na samu ta mm. ga inda aka yi ta wane irin mutum ne ya yi ta saboda baka gani wata information ka san da kai wanda ya yi ta ba mutumin kirki ne ba kuma ka san da wanda ya yi ta dama shi ni ya shiga ta nan sai ka ce labarai ne a'a ba labarai ne ba wanda suke labarai na kirki za ka nema inda ake yin sa ko radio kai television wanda su an yi su ne don a bada labarai ya kamata a ce mu san abun da za mu doki shine information information ta kirki ilfo tamize kamar yadda abokina ya ce a yi tame mutum ya gane ina ne suka shigo in yanzu ke ka tambaye ni ina ka samu wanga labari za ni ce miki ga inda na same sunan kuma surs ce ta kirki ke da kanki da kin ji ta kin san dai yau ga wannan labari za su zamanto labari nan kirki to zan dawo ta bangaren kasumana a takaice ya ne mutum zai yi kai zam tushen wallafa wani labarin karya ma'ana a turanci mai sauki kuma euh, faire pour ne pas la source de la diffusion d'une fausse information c'est de puiser les informations au niveau des canaux officiels d'information. Aujourd'hui, c'est quoi le problème au Niger Ça, c'est l'état d'esprit en fait de jeunes. Chacun veut avoir le scoop. On a fait un putsch. Les gens, les gens se précipitent en fait à envoyer des informations. Chacun veut être dans le groupe WhatsApp, celui qui envoie le maximum d'informations ou bien celui qui a les scoops. Quoi. Donc c'est pourquoi les gens se précipitent, ils envoient n'importe quoi. Donc je pense que pour envoyer les informations, les partager avec les gens, le mieux serait en fait de partir à la source au niveau des canaux officiels d'information. Et les sites, et là, si c'est sur les réseaux sociaux, chaque organe de presse, je pense, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit, je sais pas, etc. Toutes les euh, plateformes de réseaux sociaux, autant pour moi, les organes de presse sont présents dessus. Donc on peut aller là-bas, puiser les informations et les partager avec les autres. C'est la seule solution pour ne pas être source d'informations, en fait, des informations, fausses informations, comme on le dit couramment. To yanzu kana da wani euh, un conseil que tu vas donner aux jeunes qui nous écoutent euh, en ce moment quel est le comportement à tenir dans ce genre de situation dans laquelle notre pays se trouve, où la moindre fausse euh, information peut s'avérer dangereuse Voilà. Et moi, ce que je préconiserais, en fait, à tous les citoyens, jeunes citoyens si on peut le dire, parce que c'est eux qui sont ciblés en fait euh, par cette émission. Ce serait de, rester attaché aux deux valeurs cardinales d'une société. Parce que ce sont les valeurs-là en fait qui nous font défaut. La discipline et la rigueur. Quand la discipline est là, je pense qu'on a toujours en fait du respect envers tout ce qui est relatif à la morale. La personne ne sera jamais dans une position à vouloir envoyer des fausses informations pour induire les gens en erreur ou bien pour nuire à la personnalité de quelqu'un. La rigueur permettra en fait de rester toujours dans, dans le strict droit de soi-même et dans le strict en fait de son devoir. Donc c'est comme ça. Les jeunes doivent cultiver la discipline et la rigueur. Les jeunes doivent rester attachés à la discipline et à, à la rigueur. Ces deux valeurs en fait seront une balise pour nous, pour nous encadrer. Voilà. merci beaucoup Deborah zan dawo ta bangaren ki shin akwai wata shawara da zaki ba matasan da kenan suna sauraron mu yanzu me zaki ce musu game da yadda ya kamata su yi le comportement à tenir saboda su kiyaye kansu kuma su kiyaye sauran al'umma cikin wannan yanayi da muke to euh, moi euh, le conseil que j'ai à donner à la jeunesse ben, je peux dire à tout le monde c'est je dirais pas de, de ne pas publier parce que tout le monde veut avoir des vues, des likes. Euh, ce que j'ai à dire, c'est d'attendre d'abord euh, qu'un média publie avant que ce, cette même personne puisse prendre pour publier. Parce que eh, dans ce monde où nous sommes, où tout le monde veut être blogueur, où tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut qu'on dise que l'information est passée par lui. Tout le monde. Moi, ce que j'ai à lui dire, à dire à cette personne, c'est d'attendre si vraiment il veut que les gens le suivent, s'il veut vraiment avoir des likes, des vues, c'est d'attendre pour avoir une source fiable avant de balancer cela. C'est vrai que, euh, euh, comment on appelle ça, euh, il y a ceux qui ne sont pas connectés, il y a ceux qui n'ont pas de nouvelles de ce qui se passe. Donc toi, rapidement, tu appelles, tu lances des informations pour dire voilà ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est d'attendre des sources fiables, des médias, publiés d'abord avant que eux-mêmes puissent prendre et balancer les réseaux sociaux et des, des, informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux, la plupart sont fausses. Donc d'attendre jusqu'à ce qu'un média publie avant qu'eux-mêmes puissent prendre et balancer. Ils veulent être rapides que les médias alors qu'ils n'ont pas des sources fiables. Donc d'attendre et, et, avoir des, des, des, des, sources fiables avant de balancer. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Déborah. Nous allons écouter CNO nos 50% avec la chronique du jour. Bonjour chers amis de la FADA, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question vitale pour de nombreux Nigériens que nous sommes. Il s'agit de la sécurité alimentaire au Niger. Un enjeu qui touche la santé, l'économie et surtout l'avenir de notre pays. Amis de la FADA, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, en tant que pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est confronté à des défis majeurs en matière de sécurité alimentaire, avec une population en croissance constante et une dépendance considérable à l'agriculture. Il est crucial de garantir un approvisionnement stable en nourriture pour nos citoyens. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de repas sur la table, c'est également un pilier essentiel pour la stabilité sociale et économique. Ceci étant dit, plusieurs facteurs contribuent à la vulnérabilité de la sécurité alimentaire au Niger. Les aléas climatiques, tels que les sécheresses fréquentes, mettent en péril les récoltes et l'élevage. Les sols fragiles et la dégradation de l'environnement rendent la production agricole plus difficile. De plus, l'accès limité à l'eau et la faible diversification des cultures ajoutent des contraintes supplémentaires. Quelles sont les solutions envisageables pour faire face à tous ces problèmes que vit l'agriculture nigérienne. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Merci beaucoup, c'est euh, nous a nan za mu dasa aya sai sati mai zuwa an mun haɗu tare amma ah, gobe za ku iya sauraron wani shafi na wannan labarin na cikin wannan yanayi da muke kun ji kuma shawarin da abokan matasa da suka zo a nan fada nan suka wuɗe kun ji shawarin Debora kun ji na Sumana kuma kun abin da shi an gaje ya faɗi kowa ya san irin labaran da zai ringa wallafawa bisa kan yanakin gizo saboda muna cikin wani yanayi da kun an ce wani dan labari kaɗan in wani zai ji yana nesa baya kusa akan zai iya ɗauka mutane hankali ko ya samu cikin wani halin kakani kai da fatan za ku wani lafiya ku kasance tare da studio kalangu bye bye